le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passées de 15 minutes, les programmes du studio Kalangu se poursuivent. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette euh, édition du forum du studio Kalangu. Au menu, le bilan global des inondations du 14 juin dernier dans la commune d'Ingal, région d'Agadez, qui, sont déjà, qui est déjà connu. Vous suivrez le maire Sidi Maman pour les détails. Nous évoquerons également ce soir les questions d'accès à l'eau potable, les questions d'économie, avec ce soir le point de vue d'un économiste sur la situation économique du Niger relativement au, contexte sous-régional caractérisé par exemple par la dévaluation de la monnaie du Nigeria, la NERA. Enfin, nous reviendrons sur le rapport de l'UNICEF relatif aux enfants dans le monde et en Afrique, avec ce soir le décryptage d'un acteur de la société civile. Il vous souviendra, le 14 juin dernier, des fortes précipitations se sont abattues sur le département d'Ingal, causant ainsi d'importants dégâts. Le point du bilan global, cette fois-ci, avec le maire d'Ingal, Sidi Maman, il est joint au téléphone par Adam Sirfo. Nafissa. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. La commune rurale d'Ingal a enregistré le 14 dernier des fortes précipitations ayant occasionné des inondations. Donc, euh, pouvez-vous nous donner le bilan de ces inondations Effectivement, la pluie du 14 juin, comme vous l'avez dit, a causé vraiment des, inondations. Et je rappelle, que cette pluie, c'est 85 mm à moins une de temps, ce qui a fait que les, précipitations sont fortes. Euh, il y a eu vraiment des inondations. À ces jours, nous dénombrons 912 ménages sinistrés et 6896 personnes en charge. Et dans l'espèce animale morte ou disparue, nous avons 340 provinces nous avons 14 228 caprins, nous avons 14 854 ovins, et en Caroline, nous avons 55, 273 arzins, et 55 maisons effondrées, 310 et jardins emportés ou ensevelis 171, 8 trous, détruits des trous 105 aussi, il y a eu des tentes emportées dans les et il y a eu des tentes emportées. Voilà un peu la situation dans son ensemble. Et de l'autre côté aussi, nous avons reçu aussi des autres dégâts qui nous sont de nature, par exemple, sur les routes euh, euh à Arlit, entre Agrès et Sawa. Nous avons reçu une petite route, les heureusement qui ont été réparés. Nous avons eu des dégâts aussi sur le site de la Salée. Nous avons aussi des restrictions des sites paléontologiques et le site euh, du dinosaure, des arbres aussi, ont euh, été emportés par le les de l'eau. Vous n'avez pas enregistré des pertes en vies humaines Non, Dieu merci. Heureusement, au niveau de la commune euh, rurale, on n'a pas enregistré des vies en pertes humaines. Et certainement, c'est du côté de, l'autre côté euh, de la frontière de Ingal à Bazogor, qui est dans la commune de Kintabaladen, qui a eu des morts. Parmi les dégâts, vous avez parlé des cadavres d'animaux et selon nos informations, euh, on apprend que ces cadavres infestent les mares de la zone de Dingle donc, euh, quelle est la situation actuelle Effectivement, euh, dernièrement, rien qu'hier, on était avec la délégation du ministre de l'élevage, délégué à l'élevage Boucha Mohamed. Nous avons euh, essayé de voir quelles sont les solutions possibles parce qu'en réalité, ces cadavres-là sont en train de vraiment de se décomposer et ça risque d'infecter les mares ou les puits qui sont à côté. Et surtout avec le ruissellement de l'eau aussi, les inondations, où ça peut quand même causer des problèmes de santé, des épidémies soit euh, sur les humains ou sur les animaux. Ce qui fait que vraiment à ces jours-là, nous sommes très inquiets et nous voulons vraiment avoir euh, une aide par rapport à l'incinération ou bien au regroupement des cadavres-là pour les enterrer ou les brûler, pour qu'au moins on puisse euh, intervenir avant qu'il y ait des problèmes de santé. Donc est-ce que la population s'approvisionne en eau de ces marques Non, vous savez, les populations nomades, hein, c'est des gens, c'est des gens d'abord pendant la saison sèche c'est les plus pastoraux qu'ils utilisent. Mais en cette période-là, c'est vraiment les marques qu'ils utilisent. Donc, euh, certainement, ils utilisent ces, eaux-là. C'est ce qui peut être catastrophique pour euh, les autorités communales, qu'est-ce que vous faites pour venir à, bout de ces problèmes Bon, d'abord, euh, je vous dis que par faute des moyens, certainement, nous, jusqu'à présent, on est au stade de sensibilisation. On essaie de sensibiliser les gens par rapport à ces problèmes qui peuvent subvenir. Mais maintenant, comme je le disais tantôt, nous avons lancé un appel quand même au niveau des autorités de l'État et de nos partenaires pour voir comment ils peuvent nous aider pour euh, régler ce problème-là, parce que ce problème-là, il est même plus sérieux que le fait que nous avons il y Est-ce que ces inondations ont impacté le secteur économique de la ville Est-ce que les citoyens vaquent toujours à leurs occupations comme il le faut Bon, les citoyens, ils vaquent à leurs occupations, mais malheureusement, beaucoup de ces citoyens-là, aujourd'hui, leurs occupations, c'est quoi C'est l'élevage, c'est leurs animaux. Et s'ils ont perdu ces animaux-là, ça veut dire qu'ils n'ont même plus d'occupation Certainement, ils vont ils vont essayer de, s'approcher des villes, des villages pour voir comment ils peuvent aussi s'en sortir. Qu'est-ce que vous prévoyez pour prévenir de tels dégâts en cas de forte précipitation mais en cas de forte précipitation, madame, nous sommes dans une euh, zone euh, purement nomade, une zone pastorale. Euh, donc, les prévisions, là, ce n'est pas vraiment de nos, de nos habitudes. Mais ce qui est sûr, euh, c'est ce drame-là, ça a donné une leçon au point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt à, avoir une autre catastrophe si euh, on ne prend pas de dispositions. C'est surtout le côté sanitaire qui nous inquiète. Et compte tenu des divisions, paraît-il, films euh, mondiales par les, Nations Unies, cette année-là, euh, le Sahel risque d'être une zone de, forte inondation. Et donc, nous sommes vraiment inquiets. Pour revenir un peu sur la question des sinistrés, présentement, que deviennent les sinistrés de ces inondations moi, les sinistrés, heureusement, je, l'ai toujours dit que nous sommes dans un pays musulman, donc vraiment les gens sont solidaires. certainement, ce qui est beaucoup a été pris euh, en charge par des proches, ce qui fait que euh, ça ne se sent pas genre sinistrés ou qui sont regroupés euh, dans des classes ou dans des cours, parce que c'est des gens qui sont en bourse, la, majeure partie de ces sinistrés-là. Donc vraiment, il y une solidarité entre parents, entre frères, parce que le problème ben, est en train d'être solutionné. Sidi Maman, maire d'Ingel, joint au téléphone par Nafis Adam Sirfo. l'accès à l'eau potable, une problématique qui se pose moins pour les milieux urbains que pour, les milieux, pour le milieu rural où beaucoup d'efforts restent à fournir. Les acteurs justement de ce secteur sont à réunion cette semaine, une réunion de revue sectorielle. Ils examinent les activités menées l'année passée et surtout les résultats enregistrés dans le cadre des OMD, objectifs de millénaire pour le développement, afin de mieux s'investir pour les ODD, les objectifs de développement durable. Quel bilan sur l'accès à l'eau potable au Niger La réponse de Bayrou Yakuba, expert en eau et assainissement. Nous, disposons, c'est le point qui a été fait pour les OMD en fin 2015. Actuellement, en milieu rural, nous enregistrons un taux d'accès autour de 51%. En, milieu urbain, nous sommes autour de 88%. Ce qui veut dire que au niveau du milieu urbain, les objectifs du millénaire pour le développement est, est atteint et même dépassé parce qu'il était fixé autour de, 75%, on est à 88%. En, milieu rural, par contre, euh, les hommes n'ont pas été atteints parce que euh, les hommes des étaient déterminés autour de 58% pour arriver à 58%, alors que nous sommes autour de 51%. Qu'est-ce qui explique ce déphasage entre le milieu urbain et le milieu rural Le déphasage, euh, vous savez que le Niger est à, peu près autour de 80% du monde rural. Et les besoins euh, en termes d'alimentation en eau sont beaucoup plus cruciaux à milieu qu'en milieu urbain. En plus de cela, l'alimentation en eau en milieu urbain a été pris en charge par la SPEN, Société Bâtiment 12 du Niger, et l'exploitation euh, du réseau a été donnée par un contrat à la SEN. E e la SEN, c'est l'exploitation d'exploitation des eaux du Niger. Cette réorganisation au niveau du milieu urbain, ça a favorisé effectivement euh, de booster tout ce qui est aspect euh, de l'alimentation en eau en milieu urbain. Si vous voulez aussi, en milieu urbain, c'est des réseaux d'eau potable euh, qu'on tire pour amener des branchements au niveau des, au niveau des ménages, au niveau des particuliers. Alors que en milieu rural, c'est beaucoup plus des ouvrages quelque peu individualisés ou semi-individualisés. C'est soit des puits cimentés, soit des forages équipés de pompes dans les villages ou des postes d'eau autonomes ou des adhésions d'eau simplifiées au niveau des villages. Aussi, c'est dû au fait, par exemple, quand vous prenez au niveau de, certaines zones du Niger, il y a certaines zones où vous avez des profondeurs de forage qui vont jusqu'à 800 ou même jusqu'à 1000 mètres, où euh, l'exploitation coûte extrêmement cher, même certains bailleurs de fonds ne, partent pas dans ces zones. Ça qui fait que pratiquement dans ces zones-là, le taux d'accès à l'eau est, relativement faible. Donc c'est tout ce qui explique vraiment le fait qu'il y ait beaucoup plus un taux plus important en milieu urbain que euh, en milieu rural. C'est ça le principal facteur. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs pour le milieu euh, rural Bon, pour le milieu rural aussi, bon, il y a, certainement d'autres facteurs. Il y a tout ce qui est aspect de, de la capacité d'intervention aussi des opérateurs au niveau des, au niveau des réalisations des ouvrages. Et aussi, tout ce qui est aspect, le problème aussi de déblocage des fonds au niveau des bailleurs de fonds aussi, les procédures des fois sont assez longues. Et aussi, les capacités même techniques au niveau des, administrations pour pouvoir absorber les fonds qui sont mis à disposition. Qui finance l'accès à l'eau potable Oui, il y a toute une panoplie de, des intervenants, des bailleurs de fonds, par rapport, euh, des investissements par rapport à l'eau potable. Le plus important, il s'agit par exemple de l'Union européenne, de la coopération suisse, de la Banque mondiale, de la coopération danoise, de la Convention luxembourgeoise et aussi beaucoup d'autres ONG internationales. Il ne faut pas oublier aussi l'État, parce que l'État aussi contribue beaucoup euh, sur fond propres à la réalisation des infrastructures en matière d'eau potable. Mais l'eau, finalement, si je vous comprends bien, avec ce que vous avez dit sur le milieu urbain, l'eau c'est beaucoup plus commercial que désintéressé. Voilà, effectivement, là vous avez vraiment touché un point, c'est vrai l'eau en euh, <laughs> milieu urbain. Vous demandez euh, le branchement, vous payez, on vous branche et vous payez la facture. Et à la fin du, mois, si vous ne payez pas la facture, on vous coupe l'eau. Et donc, les, uns et les autres sont contraints de payer la facture d'eau. Alors qu'en milieu rural, c'est vrai, il y, a tout un problème de gestion qu'il faut, qu'il faut asseoir au niveau du milieu rural. Euh, notamment quand vous prenez par exemple, une pompe à motricité humaine, c'est ça demande tout, tout, tout, tout un dispositif par rapport à cette gestion-là. Euh, c'est la même chose pour les additions d'eau en milieu rural aussi. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, dispositifs et de sensibilisation, de formation. Même les, les, les privés qui doivent gérer ces infrastructures-là ont besoin vraiment de renforcement des capacités parce que à, certain certains moments, et ou pas oublier aussi les communes les communes qui ont la maîtrise d'ouvrage de ces infrastructures-là aussi euh, a très peu de moyens et même la désactivation n'a pas duré. Et même le transfert de compétences qui est prévu, le transfert de compétences et des moyens qui est prévu à mettre au niveau des collectivités, jusqu'à présent, c'est maintenant que ça, ça, ça, commence à, prendre forme avec les, deux décrets qui ont été pris récemment, euh, notamment dans le cadre de transfert de compétences euh, au niveau des régions et au niveau des communes. Il y a l'eau, il y a l'eau en quantité, mais aussi l'eau en qualité. Vous avez parlé de quantité, le milieu urbain est bien servi, le milieu rural un peu moins. Alors en termes de qualité, quelle est la situation pour le milieu urbain d'abord Pour le milieu urbain, je pense que le, au niveau de la structure qui est en charge d'exploiter l'eau, euh, ils ont tout un dispositif de contrôle de la qualité de l'eau. Et, euh, le contrôle de la qualité aussi est surveillé par la SPEN. Au nom de l'État, euh, surveille les infrastructures, euh, applique le contrat qui est, qui est lié entre la SPEN et, l'État. Donc vraiment, il y a des dispositifs par rapport au contrôle de la qualité de l'eau. En milieu urbain, ce que dans les dispositifs d'exécution des marchés publics par rapport à l'utilisation, c'est que dans chaque marché de réalisation d'ouvrage, il est accompagné d'une ligne où il faut faire l'analyse de l'eau avant de livrer à la population. Tant que cette eau n'est pas, n'est pas de qualité à être fournie à la population, directement on, forme les points d'eau et on les livre à la population. Et logiquement, il devrait avoir maintenant de contrôle périodique. Peut-être c'est ça qui peut être un peu défaut, euh, puisque les services techniques au niveau des, des, des, des régions et des départements n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir suivre régulièrement cette qualité de l'eau. Vous savez que l'eau, euh, c'est vrai qu'au départ, elle peut être euh, de qualité, mais au fur et à mesure, elle peut être contaminée, soit à travers le sous-sol. Par exemple, vous prenez le cas par exemple, des mines, là où on exploite les mines. Une eau peut être contaminée à travers l'exploitation des mines à travers euh, sous la terre, peut être souillée. Donc il, il, devrait avoir normalement des contrôles périodiques de ces, eaux-là. On sait peut-être que c'est un peu ça qui fait défaut. Sinon, la qualité y est pour le milieu urbain le milieu, en tout cas la qualité, je pense que la qualité est vraiment acceptable, comme on peut l'appeler comme ça. Et dans le monde rural le monde rural, euh, elle est, bonne à certains endroits, vraiment, à certains endroits. Mais à certains endroits où il y a le problème sérieux de qualité qui se pose, euh, je pense que vous savez très bien le problème qui s'est passé à Tibiri Maradi, dans, vers la zone de Kondumawa, dans la zone de Zender, vous avez des zones euh, dans la zone de, de, de Lela, Koni, où les nappes euh, ne présente pas de très bonne qualité. Mais comme je disais tout à l'heure, généralement, vraiment, avant de livrer la population, on fait tout pour que les normes de l'OMS soient respectées de qualité, pour qu'on ne livre pas d'avance à la population une eau qui, peut nuire à la santé de la population. Euh, vous avez dit 50, plus de 50% pour le milieu rural. Mm-hmm. Mais est-ce que ces 50%-là sont bien repartis dans les zones Effectivement, il y a une, disparité justement par rapport à l'accès à l'eau potable, suivant les régions, suivant les départements, suivant les communes. Il y a des disparité euh, même à l'intérieur d'une même commune, des disparités que ce soit à l'intérieur d'une même région, euh, à plus forte raison <laughs> à l'intérieur du pays. Je pense que le programme actuellement qui est en train de se mettre forme, le PROSEA, programme secteur et assainissement 2016-2030, un de ses axes principaux, c'est justement euh, chercher à rétablir euh, cette euh, égalité, cette équité en matière d'accès à l'eau potable, c'est-à-dire réduire les disparités inter et intra-régionales. Mais quelles sont les zones les plus défavorisées et pour quelles raisons Les zones les plus défavorisées, comme je vous dis, c'est particulièrement les zones où l'eau est difficile à exploiter, c'est-à-dire les zones où l'eau est très très profonde. Vous avez un village, par exemple, de 250 habitants, 300 habitants. Il faut faire des fois un forage euh, de 500, 800 mètres pour exploiter l'eau, un forage qui fait au-delà de, 200, 300 millions de francs CFA pour le réaliser, plus maintenant tous les équipements qu'il faut mettre là-dessus. Euh, vous voyez, euh, des fois les barres de fond, ils font le calcul du ratio entre l'investissement et la personne. Donc je trouve que quand le ratio là est très fort, des fois il y a certains barrages de fonds qui existent à aller dans ces zones-là. Donc des fois c'est ces zones-là qui sont quelque peu euh, délaissées, si on peut les appeler comme ça, où euh, <laughs> on, bon, ces zones-là, euh, par exemple dans, la région de, de, de, Tawa, par exemple, il y a beaucoup de zones où vraiment euh, le taux est très faible. Quand vous prenez les zones comme les régions de Zander, où l'eau est emmagasinée dans les fractures de roches en bas de la terre, il faut faire une étude pour pouvoir euh, vraiment le capter. Et ça aussi, c'est ces difficultés. On peut faire le forage, ça peut tomber sexy. Dès qu'on décale un peu de, de, la, cassure des roches, là, où l'eau est magasinée, c'est frit, le, forage ne donne rien. Donc ça aussi, c'est des zones qui sont vraiment défavorisées en matière d'accès à l'eau potable. Comment résoudre ce problème d'accès à l'eau potable Il y a une nouvelle euh, approche qui est mise en œuvre par le ministère de l'hydraulique euh, et de l'assainissement. Quand je vous ai tantôt, il y a des forages très profonds qui coûtent extrêmement cher. Maintenant, l'option qui est engagée, c'est que on rassemble un certain nombre de villages 3, 4, 5 villages, et jusqu'à 10, ça peut aller jusqu'à 10 villages. On fait le forage profond là et on les alimente à partir de ce forage là. Du coup, ça amoindrit l'investissement par individu. Vous voyez, ça permet aussi donc de ratisser large pour pouvoir euh, alimenter un certain nombre, euh, plus, plus, un plus grand nombre de personnes en matière d'eau. Il y a l'autre option aussi, par exemple, quand vous prenez les zones insulaires de la zone de Tilaberi, où on ne peut pas aller même faire des forages, les machines ne peuvent pas traverser l'eau pour aller faire le forage. Ce qu'on fait, il y a de nouvelles options qui vont à capter l'eau du fleuve à travers le sable, les traiter et les fournir aux populations. Ça aussi, on fait, on peut faire des grands systèmes qui peuvent alimenter plusieurs îles. Il y a un certain nombre d'options qui sont prises pour corriger la situation. Je pense aussi, c'est c'est le cas pour euh, le programme qui va venir 2016-2030. Il faut une stratégie de mobilisation des ressources. Quand je dis mobilisation des ressources, il ne s'agit pas seulement de se focaliser sur les sources de financement extérieur. Il faut aller même au niveau à l'interne pour pouvoir avoir ces fonds-là pour réaliser des exercices au profit des populations. Quand vous parlez d'interne, ça veut dire que ce sont les populations qui vont se mobilisés qui, sont, qui vont revenir oui, par exemple, euh, vous le, simple cas de la diaspora qui est, à l'extérieur. Dieu seul sait le fonds qu'ils font rentrer au Niger pour leur famille et pour autre chose. Ces arts de fonds-là, si on les capte, ils peuvent très bien servir à réaliser des, des ouvrages. Vous avez par exemple les addictions d'eau qu'on met en place. Vous savez, on vend l'eau. Si on gère très bien ces fonds-là de vente d'eau, au niveau de la population, on peut très bien les réunir et ça permet de faire l'extension du service d'alimentation en eau potable. Il y a aussi toute la volonté politique aussi de pouvoir donner beaucoup plus de financement dans le domaine de l'eau, puisque c'est quand même un domaine euh, prioritaire et même vital, j'allais dire. Vous venez d'écouter Zabairou Yakouba, expert des questions d'hydraulique et d'assainissement. Il répondait aux questions de Hamadou Moumouni. Parlons économie à présent. Hier, vous avez eu l'occasion d'écouter un, économiste et un politique sur la question de la situation économique du Niger qui, euh, qui n'est pas réluisante pour certains et le contraire pour d'autres. Vous avez écouté l'économiste et un acteur de la société civile avec euh, des avis différents. Ce soir, nous vous faisons écouter un autre avis, celui d'un économiste. Euh, il docteur Sherif Chakou, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey qui nous entretient sur la situation financière du Niger et sur les conséquences de la dévaluation de la Naira, la monnaie du Nigeria, pays voisin. Je vous propose de l'écouter. Bonsoir, docteur Sherif Chako. Bonsoir. C'est que récemment, le ministre des Finances, face aux députés, parlait de, difficultés financières et que cette année, au, risque, l'année 2016, risque d'être une année où il n'y aurait que de, des dépenses de fonctionnement et pas d'investissement quel enjeu pour un pays comme le Niger L'enjeu n'est pas luisant. Une économie qui n'investit pas, sa croissance est périlleuse. Dans une famille, dans un village où on n'investit pas, l'avenir est compromis. Il faut investir. Et c'est assez dommage la situation que notre pays traverse. J'ai admiré la sincérité du ministre des Finances pour pouvoir dire aux élus du peuple la réalité et demander à ce que des ajustements nécessaires se fassent, mais des ajustements pour tous les niveaux, que ce soit au niveau des États, aussi bien qu'au niveau des ménages, je voudrais dire des individus. La situation mérite d'être bien appréciée et la situation mérite d'être jugulée très rapidement parce qu'elle va de l'avenir du pays. Alors, parlons cette fois-ci de, cette question de dévaluation de la Naira, la monnaie du Nigeria, pays voisin du Niger la Banque centrale euh, donc euh, du Nigeria qui maintenait depuis fort longtemps euh, donc le taux de change du naira vis-à-vis du dollar a ouvert la voie mercredi 15 juin dernier à la dévaluation de cette monnaie, le naira. Et c'est là pour pouvoir rassurer les investisseurs étrangers alors que le pays traverse des turbulences économiques. L'heure est grave pour le Nigeria. Là aussi, l'heure est grave. Si vous me permettez de revenir sur la situation du Niger, après une accélération en 2014 euh, ou je dirais 2012, où on avait eu une croissance assez forte de 7%, qui est due essentiellement au secteur agricole. Cette croissance est estimée, elle est tombée à 3,5%. Alors, si on considère l'accroissement de la population, vous voyez que la croissance est plus ou moins nulle, le PIB réel est plus ou moins nul, voire un tout petit peu négatif. Il en est aussi de l'accroissement plus que prévu, certainement des dépenses de sécurité, dont je ne peux pas vous dire le montant, et la baisse des recettes. Donc cette situation euh, du Niger a été un peu amortie par la situation relativement bonne jusqu'à un certain moment donné du Nigeria qui nous sert un peu de contre-courant d'un vent négatif. Les comptes extérieurs en 2014, déjà avant, pour le Niger, on a constaté une baisse des exportations, donc qui représentait 15,7% du PIB. C'est beaucoup. Et cette baisse, elle s'est détériorée d'1,5 point. C'est beaucoup pour le pays. Maintenant, revenons au Nigeria. Quoi qu'on dise, la dévaluation, c'est une décision volontaire des autorités monétaires. Beaucoup avaient spéculé que le Nigeria devrait dévaluer. Mais face à certaines euh, situations, je crois les autorités ont pris leur courage à deux mains. Il faut avoir une nuance théorique entre la dépréciation, c'est-à-dire la monnaie qui se déprécie par rapport aux autres devises, soit en raison de la morosité économique, soit à la suite des crises beaucoup plus profondes. Donc le Nigeria a vécu une crise très profonde. 70% des ressources proviennent des exportations du pétrole. Donc le Nigeria a eu un choc, un choc qui est lié à ce que les gens appellent la maladie hollandaise, le Dutch disease, et l'effet de crémaillère. À un certain moment donné, les pays qui ont des ressources font des dépenses, par exemple les salaires, les dépenses de, pour une certaine classe, quand la source de ces ressources baisse euh, de manière profonde, les mêmes pays ne peuvent pas faire des retours en arrière sans avoir des conséquences sociales énormes. Donc, 70% de baisse des recettes d'exportation pour le pétrole, c'est beaucoup pour le Nigeria. Parce que ça fait 90% des bases des ressources publiques pour le Nigeria. Donc vous voyez, la chute est très très profonde. Un peu pour amortir la chute, les autorités ont décidé de faire flotter la NERA, mais aussi de la dévaluer. Vous dites c'est pour attirer les investissements extérieurs. Oui, théoriquement c'est vrai, mais dans la pratique, le but d'une dévaluation, c'est d'abord de valoriser les non-tradables, c'est-à-dire les produits qui ne sont pas consommés, et décourager les produits et les produits qui sont produits localement mais qui ne sont pas consommés par rapport aux produits qui sont importés et qui sont consommés. La décision de dévaluer doit se faire en ayant l'appréciation de ce que ça implique comme impact sur les importations, mais aussi ce que ça implique sur les impacts euh, sur les exportations possibles. C'est ce que techniquement les gens parlent des élasticités critiques. Quel genre d'impact cette dévaluation peut avoir sur le Niger, qui est un pays voisin et dont les échanges commerciaux sont euh, non des moindres, sont importants Mais ce que je vous ai dit tantôt, les exportations représentent 15,7% du PIB. Ça s'est détérioré virgule euh, Cinq points. Vous parlez des exportations du Niger. Du Niger. Mais il faudrait distinguer les exportations euh, des produits miniers et autres, et pétroliers, des exportations des produits agro-pastoraux. J'insiste beaucoup plus sur les exportations des produits agro-pastoraux, pour la simple raison si vous prenez dans les années passées, avant même le pétrole, vous prenez par exemple 2004-2005, les exportations en valeur représentaient des produits miniers, essentiellement en son temps l'uranium et l'or. Ça représentait 70% des de la valeur des exportations. Mais les, exportations des produits agropastoraux représentaient 30% des exportations. Alors souvent, je posais la question, quel type d'exportation aura plus d'impact sur la vie nationale Et si on vous renvoie cette question aujourd'hui euh, Aujourd'hui, et non mais toujours, ces dernières années, c'est beaucoup plus les 30%. Les exportations des, produits, agro-pastoraux c'est-à-dire des paysans, des éleveurs, etc. C'est ça qui impacte davantage la vie des ménages. Ça voudrait dire que ces exportations vont davantage diminuer. Ça voudrait dire que la vie, le niveau de vie de ces, paysans et de ces éleveurs serait beaucoup plus difficile beaucoup plus difficile qu'auparavant. La seule euh, peut-être réserve qu'ils auraient, c'est qu'ils auraient à importer un peu moins cher avec euh, des, à partir du Nigeria. Donc ça voudrait dire que ce cycle mercantile ou mercantiliste, il va s'accroître. On va importer sans produire. Donc on revient à notre introduction à long terme, même à court terme, ce n'est pas une bonne chose. La baisse des exportations des produits agro-pastoraux. Donc la situation du Nigeria va nécessairement nous affecter. C'est un truisme que de dire que euh, si le Nigeria a une euh, tous, nous on est vraiment enrhumés. Donc euh, la contagion, elle est directe. Il, a, il n'y a rien à faire pour contrecarrer, pour euh, amortir cet effet Bon, euh, il n'y a rien à faire euh, par qui Par l'État nigérien. par l'État nigérien. Bon, l'État, excusez-moi de l'expression, lui-même se débat. Il faut voir ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que le marché intérieur soit beaucoup plus développé À travers À travers la performance de notre agriculture. Et là, c'est pas pour demain. Et à travers la création d'industries, eh, pour pouvoir paraphraser Frédéric List, et avoir une base de production nationale. Et c'est pour cela que j'ai dit renforcer l'appareil productif aujourd'hui, elle est très, très difficile parce que les coûts des facteurs sont très prohibitifs. Aujourd'hui, avec les coupures, avec euh, les coupures d'eau et d'électricité, quelle activité pouvez-vous faire sans électricité et eau aujourd'hui Mais même en termes de consommables, je voudrais dire, qui intervient dans la production mais sans être Hein, sans apparaître dans le produit. Finalement, ce qui risque de se passer, les uns et les autres vont réduire leur consommation, vont s'ajuster de leur manière. Mais il ne faudrait pas aussi qu'ils retrouvent un autre ajustement de la part de l'État. Il est important que, d'abord comme mesure, que l'État s'ajuste. Euh, je voudrais dire ceci, que l'État diminue certaines de ses dépenses, fasse la priorité des dépenses prioritaires et que l'État euh, diminue d'autres dépenses dans certains secteurs. En attendant, c'est une période où la tendance elle est baissière du point de vue des recettes euh, je voudrais dire, des recettes euh, fiscales. Euh, donc, ça peut poser d'autres problèmes. C'est pour dire que la situation, ce qu'il faut faire, il faut vraiment apprécier la situation. Elle mérite des réponses urgentes, courageuses, profondes, pour pouvoir euh, donner aux uns ou aux autres une sorte de direction, de repère pour appuyer les agents économiques dans les solutions d'ajustement qu'ils euh, se proposent certainement de prendre. Docteur Sherif Chakou, je vous remercie. Merci. Vous venez d'écouter notre entretien avec euh, Dr. Sherif Chako, économiste, euh, enseignant-chercheur au niveau de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Ce matin, l'équipe média du programme P à travers le développement PDF2 a organisé une cérémonie de remise de prix aux lauréats de la sixième édition du concours radiophonique Goni Karkara et ceux de la deuxième édition du concours Meilleur projet de développement ouvert aux clubs d'écoute partenaires de PDF2. Il vise à renforcer les capacités des clubs d'écoute dans le montage et la mise en œuvre des activités de développement au niveau communautaire. Tarnan Foudé Ahmed s'est entretenu avec Kader Idi, directeur pays de l'ONG Equal Access, par rapport à ce concours dénommé Goni de Gwani daga c'est un concours radiophonique à l'intention de nos radios partenaires. Euh, quand je parle de radio partenaires du programme P à travers le développement PDF2 financé par l'USAID, c'est un concours qui a été initié depuis 2012. Nous sommes donc dans notre sixième édition et cette sixième édition euh, coïncide du moins avec la fin du projet PDF2 qui est un programme de cinq ans sur la lutte contre l'extrémisme violent avec euh, la contribution communautaire. Donc, euh, nous sommes dans notre sixième édition, comme je le disais. Et cette sixième édition, la cérémonie de remise a été organisée ce matin. Ce concours vise surtout euh, à renforcer les capacités de nos radios partenaires dans la conception, la réalisation et la production d'une émission radiophonique. Donc voilà un peu l'objet visé par euh, ce concours Gwani de Karkara. Combien de radios ont-elles pris part à ce concours pour cette sixième édition, en tout cas selon euh, le rapport euh, des membres du jury, et 23 radios partenaires sur la quarantaine que nous avons ont pris part à ce concours. il s'agit d'un concours en deux catégories. En réalité, on n'a pas voulu avoir pour une même catégorie radio communautaire et privée. Donc on les a séparés. On a les radios euh, communautaires d'un côté et les radios privées d'un côté. Cette année, vous avez choisi quel thème pour ce concours En réalité, nous, la particularité de ce concours Guani, c'est que eh, on n'a pas de thème spécifique. Notre thème, c'est les objectifs du programme Paix à travers le développement, qui sont euh, la lutte contre l'extrémisme violent à travers la résilience communautaire. Donc dedans, vous allez puiser beaucoup de thèmes. Donc c'est pour cette raison que nous, nous laissons euh, le choix aux radios partenaires euh, de faire une production qui a un lien avec la lutte contre l'extrémisme violent. Voilà pourquoi nous ne faisons pas de, thème spécifique direct, mais c'est un thème euh, qui répond aux objectifs euh, du programme Paix à travers le développement. Mais c'est Kader, puisqu'il s'agit d'un concours, certainement il y a un gagnant. la radio qui a gagné ce concours, elle a présenté quel type euh, de magazine Tout avait porté sur la contribution, par exemple, la place, et, le rôle et place des leaders religieux dans la lutte contre l'extrémisme violent. C'est un des thèmes qui a été présenté par une des radios gagnantes euh, pour dire qu'effectivement, il y a eu deux radios qui ont gagné. Il y a la radio Barou de Walam, qui n'est pas sa première fois pour gagner un prix du Guani de qui a remporté la première place euh, au niveau de la catégorie des radios communautaires. Et il y a la radio euh, la radio privée, euh, Garkoua de Maradi, qui a aussi remporté le premier prix de sa catégorie. Donc effectivement, c'est des thèmes qui tournent autour de la, du rôle de la femme dans la lutte contre l'extrémisme violent ou des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent. Vous voyez c'est euh, des, thèmes en tout cas qui ont un, rapport avec l'objectif global du projet Paix à travers le développement. Monsieur Kader, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi l'extrémisme violent Quand on dit l'extrémisme violent, je vais pouvoir vous expliquer cela à travers des exemples. C'est ce que nous voyons ici, les groupes extrémistes tels que ceux qu'on qualifie de Boko Haram ou bien l'État islamique ou Al-Qaïda qui ne font que de la violence liée à un contexte religieux ou politique. C'est des choses comme ça qu'on qualifie de groupes extrémistes. Donc, et qui perpétuent la violence pour faire euh, prévaloir euh, peut-être leurs réclamations ou demandes. Il y a eu aussi la remise du prix euh, au projets projet de développement communautaire. C'est un concours aussi que nous avons initié pour encourager les clubs de côte dans le montage et le suivi des projets de développement communautaire. Kader Idi, directeur pays de l'ONG Ecole Access, propos recueillis par Tarnan Foudé Ahmed. Et puis retenez que le premier prix catégorie radio communautaire revient à la radio Barou de Walam pour la catégorie radio privée, le premier prix a été remporté par la radio Garquois de Maradi. Ces deux radios ont été gratifiées chacune avec un trophée et un ordinateur portable. Le premier prix du concours meilleur projet de développement ouvert au club d'écoute partenaire du PDF2 a été remporté par le club d'écoute All African Boys de Minnesota, région de Difa, un prix d'un million cinq cent francs CFA les programmes de Studio Kalangou à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM à Tilaberi. Sur la radio Téboissé. 97.5 FM. À Maradi. Sur la radio Garqua. 107 FM. À Filengé Sur la radio Mouria 95.1 FM. À Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio 18h passées de 56 minutes, auditeurs et auditrices du studio Kalangou, nous sommes à la fin du forum de ce soir. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée. Bonsoir et bonne rupture. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangou à Agadez. Sur la radio Nomade FM. 101.9 FM à Tilaberi. Sur la radio Tebouansi. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM a ah, filin Sur la radio muryar talaka. 95.1 FM a Difa. Sur la radio Amfani. 100 FM. Studio Kalangu, Studio Kalangu.